le forum du studio le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio le forum Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum de Studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum de Studio Kalangou a pour thème l'élevage de la volaille. Quelle techniques pour accroître le rendement. L'aviculture désigne toutes les sortes d'élevage d'oiseaux ou de la volaille. Le Niger est un pays d'élevage par excellence. Cette activité est pratiquée par près de 87% de la population active. Le poulet représente 57,5% de la volaille élevée au Niger en 2007 avec une prédominance des races locales qui représentent 54,7% du cheptel. L'aviculture intensive concerne 2,8% des effectifs, le poulet de chair représentant 1,6% du cheptel avicole et les poules pondeuses 1,2%. Avant le recensement, les services d'élevage considéraient que le poulet constituait 70% des volailles élevées au Niger d'après le recensement général de l'agriculture et du cheptel en 2008. L'apport de l'élevage est en moyenne de 15% aux revenus des ménages et de 25% à la satisfaction des besoins alimentaires selon le document de la stratégie de développement rural. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre les défis et la nécessité pour le Niger et les opérateurs de s'engager davantage dans l'élevage de la volaille, les difficultés et les opportunités. Ce forum permettra également d'apprendre et de comprendre les techniques à mettre en œuvre pour accroître la productivité. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Dr Yahouza Abdou, docteur vétérinaire et spécialiste en amélioration des systèmes agraires sahéliens et protection de l'environnement. Docteur Yahouza Abdou, bonsoir. Bonsoir, ça va Adamou Dikimba Aboubakar, zootechnicien, entrepreneur avicole. Adamou Dikimba Aboubakar, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mokhtar et Mahamadou Abdelkadri, gestionnaire commercial et agriculteur. Mahamadou Abdelkadri, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Docteur Yahouza Abdou, comment se porte l'élevage de la volaille à Niamey ou au Niger D'abord, merci d'avoir euh, donc organisé ce forum et m'offrir cette opportunité de participer. L'élevage, en tout cas, est, fait partie intégrante des activités du Niger, notamment euh, l'aviculture. Euh, la volaille fait partie de notre tradition. Et dans chaque concession, en tout cas, vous allez trouver de la volaille. Bon, maintenant, le challenge, c'est qu'il y, y a, des difficultés quand même à pouvoir rentabiliser cette activité, du fait donc de plusieurs paramètres. Et les paramètres notamment sanitaires, les paramètres alimentaires, les paramètres habitat et les paramètres suivi, la combinaison de ces trois éléments pour pouvoir tirer eh, profit de notre eh, volaille. Néanmoins, malgré ces contraintes, on a quand même toujours des marchés qui sont eh, approvisionnés en volaille locale, tant bien que mal. Ce sont des animaux donc, à cycle court qui se reproduisent très vite et, et de surcroît, si on prend soin, un temps soit peu de leur vie, de leurs besoins, en tout cas, il donne de très bons résultats. Il y a beaucoup de pertes liées donc aux problèmes sanitaires, liées aux problèmes de l'alimentation, mais malgré tout, il y a toujours la volaille qui est approvisionnée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on prend un peu du sérieux, et en agissant encore davantage sur ces différents paramètres, je crois qu'on va être des grands exportateurs même de la volaille. Docteur Yahouza Abdou, quels sont les différents types de volailles qu'on peut élever sans grande difficulté ici au Niger Bon, on commence par la poule la poule locale euh, qui est là la poule euh, en général, elle est adaptée. il y a aussi les pentades, il y a les canards, il y a les pigeons, il y a les, oies. En tout cas, toutes les, volailles qui sont adaptées, qui font partie surtout de l'habitude alimentaire de nos populations, peuvent en tout cas être élevées à grande échelle. Elles s'adaptent bien au climat pourvu, donc, comme, comme je l'ai dit, on tient compte de ces paramètres que j'ai cités tout à l'heure. Docteur Yahouza Abdou, est-ce qu'il y a euh, d'autres volailles qu'on ne peut pas élever au Niger Bon, là, je n'ai pas fait cette euh, recherche parce que les oiseaux, il faut savoir donc leurs euh, besoins en température. Généralement, donc, les, oiseaux supportent la température autour de 37, 38 jusqu'à 39 degrés. Mais au-delà, donc, ils peuvent mourir. Mais avec un peu d'attention, malgré donc le climat qui est rude au, Sahel, quand il y a beaucoup d'espèces qui peuvent être adaptées. Docteur Yahouza Abdou, quels sont les risques potentiels pour quiconque veut s'engager véritablement dans l'élevage de la volaille au Niger Le risque potentiel, eh, c'est que j'ai dit, eh, il y a d'abord le problème sanitaire. On a des grandes maladies qui sont connues, presque panafricaines ou, mondiales même, la maladie de Newcastle, qui fait des ravages chaque année, qui fait perdre plus de 80% des cheptels. Surtout dans les campagnes. Voilà, surtout dans les campagnes. Donc, euh, il faut faire attention à ces, maladies et à la maladie respiratoire chronique, les bronchites infectieuses, mais aussi la coccidiose, euh, qui sont aussi des maladies qui peuvent aussi nuire euh, sur le, le mais toujours donc par rapport à ça, il faut se faire surtout accompagner par un agent d'élevage. Les services vétérinaires, ils sont là pour ça. il faut suivre leurs euh, conseils et appliquer la rigueur de l'hygiène, de l'habitat et, la bonne alimentation aussi. Et surtout aussi l'eau d'abreuvement également, il faut, il faut y veiller. Donc euh, les, risques, ça c'est les risques au point de vue donc de l'élevage. Maintenant du point de vue des euh, relations homme-animal, il y a aussi les risques de contamination comme on le dit avec l'avènement de la grippe aviaire qui est une maladie, une zoonose qui peut également toucher l'homme. Donc, euh, le fait d'acheter des animaux ailleurs avec des sources donc souvent qui ne sont pas sûres, il y a ces risques aussi d'introduction de ces maladies dans le foyer ou bien dans le, pays ou dans les villages. Donc, euh, nécessairement, il faut toujours se faire accompagner par les services de santé animale, les services vétérinaires, qui sont là pour ça. Et de temps en temps aussi, il faut peut-être même organiser des prélèvements avec les laboratoires vétérinaires pour analyser en tout cas l'état de santé de votre élevage, pour en tout cas minimiser les risques. Docteur Yahouza Abdou, quels sont les préalables à réunir avant de s'engager dans l'élevage de la volaille D'abord, il faut savoir ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est un élevage juste pour la consommation Est-ce que c'est un, élevage pour le business, pour gagner le marché Donc il faut se décider d'abord. Et là, donc, euh, une fois donc cerné ce qu'on veut faire, donc il faut maintenant le traduire en, document et créer un plan euh, un plan donc euh, qu'on peut mettre en œuvre, analyser donc euh, comment on peut le mettre en œuvre, le traduire en, réalité. Parce que toute choses méritent des étapes, mérite donc aussi des moyens, mérite des connaissances, des moyens humains et matériels, financiers, et aussi un accompagnement quelque part technique si on n'a pas ces compétences-là. Donc, euh, il faut, il faut d'abord décider de ce qu'on doit faire. Il faut ce que vous voulez choisir. Même dans le business, il y a plusieurs choses. Est-ce que vous voulez faire poulet de chair Est-ce que vous voulez faire poule pondeuse Est-ce que vous voulez faire juste des pigeons ou bien des pentados ou des poussins Donc, c'est à vous de voir. Et chaque type d'activité que vous avez choisi a ses exigences, a donc euh, son plan d'exécution. Donc, il faut se faire accompagner généralement par un professionnel du domaine qui connaît la gestion technico-économique des systèmes d'élevage. Et ensuite, maintenant, donc, euh, réunir d'abord euh, les moyens nécessaires. D'abord, il faut l'habitat, il faut le local, et là où vous allez mettre les, oiseaux. Et ensuite, euh, réunir aussi les aliments qu'il faut, parce qu'il faut les aliments, il faut euh, aussi de des conseils pratiques d'un technicien pour les premiers pas, à défaut de se faire former carrément, avoir une spécialité dans ce domaine ou bien faire un stage chez un professionnel âgé qui est déjà donc expérimenté. Et ensuite, donc, euh, chercher maintenant les, les, souches que vous voulez, les oiseaux que vous voulez, et savoir s'ils proviennent donc d'une d'une source fiable, il n'y a pas de contamination, et tout ça, est-ce que c'est la souche performante que vous choisissez, est-ce qu'elle est pure, est-ce elle répond à vos choses. Et tout ça, donc, il faut réunir ça. ensuite, maintenant, donc, euh, commencer l'installation, surtout toujours avec l'accompagnement d'un technicien pour éviter des erreurs, parce que moindre erreur, ça peut créer des catastrophes. Vous pouvez acheter des poussins si vous n'êtes pas, à prenez pas qu'il faut. Peut-être en une journée, deux jours, tout va partir. Docteur Yahouza Abdou, est-ce qu'on peut élever plusieurs types de volailles dans un même habitat C'est pas conseillé c'est pas conseillé parce que même, même la même espèce, c'est un peu déconseillé d'élever même la même espèce d'âge différent, à plus forte raison donc euh, des espèces différentes ensemble. Il faut dans la mesure du possible les séparer, éviter donc des conflits d'espèces ou de choses, de, de souches ou de générations. L'idéal c'est d'avoir des bandes uniques, en tout cas homogènes plus ou moins, parce qu'il y a toujours la lutte entre le plus fort et le plus faible dans l'alimentation. Donc si vous, mélangez des, choses, c'est sûr que celui qui est fort va d'abord manger plus, il sera plus performant alors que les autres seront donc au détriment donc, euh, de, votre euh, entreprise. Donc ils ne vont pas donner leur performance comme il faut. Adamou dit Kimba Aboubakar, comment se porte le marché de la volaille et des jeux au Niger Monsieur Mokta, merci d'abord pour euh, l'opportunité que vous nous accordez pour euh, euh, se pencher sur cette question qui est aujourd'hui quand même une des questions primordiales dans un pays comme le Niger, où le secteur est en plein, essor, en plein essor, parce que l'agriculture quand même fait partie de l'élevage des animaux de cycle court, où le retour sur investissement est très rapide lorsque un certain nombre de préalables sont réunis. Donc, euh, le secteur avicole, euh, aujourd'hui, en termes de marché, se trouve être un peu confronté à un certain nombre de difficultés, notamment liées à l'écoulement des produits, notamment quand on prend euh, effectivement la commercialisation par exemple des poulets de chair, constitue un problème parce que tout simplement le poulet de chair tel que produit dans les fermes de façon moderne ne correspond pas au goût du consommateur nigérien qui est habitué à la viande dure qui est habitué un peu à la viande euh, sahélienne, qui est là en train de divaguer pendant deux ans, trois ans pour couvrir, pour en tout cas avoir un gain de poids d'autour de 400-600 grammes pour être consommé en, en chair et en os. Par contre, le poulet de chair qui est produit de façon industrielle en 45 jours avec des performances importantes, notamment autour de 900 grammes de poids carcasse à 1 kg en 45 jours. Donc la tendreté là ne répond pas du tout, en tout cas, au goût du consommateur nigérien, en tout cas la grande partie, et ça cause un problème de marché. Même si nous avons remarqué quand même depuis les années 2006 après la grippe aviaire, les années de la grippe aviaire, une invasion des poulets importés qui ont aussi contribuer à améliorer un peu, à changer les habitudes alimentaires. Néanmoins, n'ont pas permis d'ancrer jusque-là le poulet de chair chez tous les consommateurs nigériens. Donc quand on prend également pour l'aspect production d'œufs, il y a effectivement aussi un problème sur le marché parce que certes, aujourd'hui, il y a un certain nombre de une certaine euh, quand même euh, prise de conscience par rapport à la production locale qui est appréciée parce que tout simplement, c'est des produits frais qui, lorsqu'on les prend, on a la garantie de pouvoir les consommer jusqu'à la fin sans avoir des pertes. Donc, néanmoins, ce volet est aussi également confronté au problème d'importation des œufs venant de la sous-région, souvent même d'ailleurs de, l'Europe et de l'Asie. Et il y a des importations d'œufs qui nous viennent de vers là-bas. Donc, tout ça, ça constitue quand même une menace pour le marché. Donc ici au Niger, à l'échelle nationale, il y a des difficultés d'écoulement. Oui, effectivement, des difficultés parce que Qu'est-ce qu'on appelle difficulté Lorsque un aviculteur produit un plateau d'œufs autour de 2300, 2500 et qu'il revend à 2000 ou moins de 2000 à 1950, parce qu'il y en a qui vendent à 1950 aux détaillants ou aux grossistes du moins, et également il y en a qui vendent à 2000, 2300. Donc du coup, ça, c'est-à-dire c'est le coût de production. C'est le, le coût de production. Si par exemple un plateau qui est produit à 2000 francs et vendu à moins de 2000 francs ou à 2000 francs, je pense que quand même, hein, c'est à voir que c'est pas du tout euh, intéressant. Donc ça n'encourage pas Ça n'encourage pas, pourquoi Parce que tout simplement, le coût de, le coût de production est très élevé. D'abord, s'il faut regarder de façon claire la, chaîne de la production, qu'est-ce qui s'est passé que toutes ces produits, tous ces produits sont importés. à la fois le poussin est importé, il est importé élevé ici, L'alimentation est importée. Bon, les produits vétérinaires, on n'en parle pas parce que tout simplement, il n'y a pas de produits qui sont fabriqués ici. Donc, voyez-vous, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une production secondaire qui s'est faite ici. Une partie de la chaîne a débuté ailleurs et elle se poursuit ici pour être acheminé. Mais on peut euh, produire les poussins Sans problème, sans problème. Il y a, la technicité, parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître que l'aviculture, telle que c'était il y a de cela 20 ans, c'était pas la c'est pas la même chose. Quand on prend même les dates que vous avez données, heureusement même que vous avez référé ça avec l'année, c'est des chiffres qui datent d'après la grippe aviaire. Parce qu'aujourd'hui, quand même, les cheptels, qu'ils soient modernes ou traditionnels euh, au Niger, il a beaucoup évolué même si les statistiques vont le confirmer, parce que s'il n'y a pas de statistiques disponibles actuellement par rapport à ces chiffres, mais il y a quand même un certain nombre d'informations sur le secteur qui permet de, savoir effectivement qu'il y a eu des avancées. Donc, parce qu'en 2006 seulement, si on prenait, il y avait à peu près, le plus grand fermier avait 7000 poulets, le fermier moderne, 7000 euh, poulets, et puis il était le géant qu'on l'appelait Baobab. Aujourd'hui, euh, nous avons des fermes dans lesquelles les gens exploitent des sujets allant de 20 000 à 147 000 poules, 140 000 poules. Donc je pense qu'il y a eu des avancées. Et tout ça, ça concourt un peu au développement de la filière, voyez-vous. malgré tout, Kimba Aboubakar, la volaille coûte cher au Niger. Oui, la volaille coûte cher parce que tout simplement, je disais, c'est le coût de production. Le coût de production, lorsque des poussins sont importés, lorsque ces des poussins sont importés, je vous donne le prix du poussin, par exemple, un poussin qui arrive à l'aéroport, avant encore ce qui s'est passé, <laughs> mais il, il revient à 1000, 1150, euh, autour de 1150. Il y a d'autres frais qui vont ajouter à partir de l'aéroport. Donc voyez-vous, et ça, ça ne peut pas faciliter quand même à faire en sorte qu'on puisse avoir un produit qui, à la fin, peut être cédé aux consommateurs à moins de frais. Voyez-vous. Parce que si un poulet, un poussin cher est vendu autour de 1000 francs, un poussin à 1000 francs. Il faut l'élever à combien Sachant pertinemment que le coût d'alimentation peut aller autour de 70 à 115% des coûts de production. Donc, voyez-vous, supposons même que le, les autres charges sont 1000 francs. Si on prend 115% de 1000 francs, ça fait déjà 1750 euros. C'est-à-dire c'est des poulets qu'on ne pourra pas vendre à moins de, 3 000 de 3000 francs, voyez-vous. Donc, du coup, ça, ça fait que jusqu'à aujourd'hui, le poulet reste et demeure comme un produit de luxe. Alors que même pas. Le poulet, il est à la portée de tout un chacun, de tout. En tout cas, le, consommateur nigérien est ordinaire, c'est à sa portée. Adamou dit Kimba Aboubakar, le Niger est-il une terre d'opportunité au point d'attirer des investisseurs dans ce secteur Ah bien sûr. En fait, je vous prends deux aspects. Le premier aspect, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, nous voyons la croissance démographique au hmm. Niger. Toute cette population qui est en train d'arriver et qui va croître jusqu'en 2030, 2050, c'est des prévisions. Or, si de l'autre côté, la courbe de la production ne suit pas la courbe d'évolution démographique, je pense qu'il y aura problème. Et ce problème, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va atteindre un niveau où on ne pourra plus satisfaire la demande en termes de protéines animales. Pour le faire, qu'est-ce qu'il faut Il faudrait quand même que nous puissions nous orienter sur la production animalière qui consiste à aller vers les animaux à cycle court où la production est très rapide. Donc, ça veut dire que de ce point de vue, il y a quand même un avantage de l'autre côté, c'est vrai que nous avons pendant longtemps, euh, nous n'avons pas vu clair sur les opportunités chez les voisins. Aujourd'hui, autour du Nigeria, nous, nous sommes autour de 20 millions d'habitants et ils sont près de 200 millions d'habitants. Leurs produits nous envahissent ici. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont autosuffisants. Ce n'est pas parce qu'ils sont autosuffisants, parce que tout simplement, c'est une opportunité de marché. Donc nous, aujourd'hui, au Niger, nous avons la possibilité, nous pouvons avoir la possibilité, nous avons la possibilité, nous pouvons bel et bien produire pour nourrir le Nigeria. Parce que quand même, 200 millions d'habitants, il n'est pas aisé de pouvoir garantir une production sur place. Donc nous, nous sommes dans une opportunité. Et je pense qu'avec les efforts qui sont en train d'être faits au niveau continental, notamment avec la zone de libre-échange, je pense que ça peut être une opportunité pour nous. Mais lorsque nous, nous allons prendre conscience et que nous allons pouvoir être en mesure de mobiliser des ressources conséquentes afin de pouvoir investir conséquemment ici et de ravitailler le marché du Nigeria. Voyez-vous. Adamou Dikimba Aboubakar, quels sont les obstacles qui se dressent devant ceux qui entreprennent ou qui veulent entreprendre dans ce secteur Bon, en fait, les obstacles, ils sont. D'habitude, moi, quand je parle sur l'agriculture, je n'aime pas parler d'obstacles parce que dès qu'on parle d'obstacles, quelqu'un qui n'est pas passionné, il abandonne. Mais je pense qu'il ne peut pas y avoir une activité sans contraintes. Et parmi ces contraintes, je pense qu'il y a euh, les contraintes liées notamment à l'approvisionnement des intrants, comme on l'avait dit. Parce que l'intrant constitue la chose primordiale avec laquelle on commence l'agriculture. Si on ne l'a pas, c'est problématique. D'abord, du fait qu'on importe, on n'a toujours pas cette maîtrise du cycle de production. Vous pouvez émettre un vœu de commander des poussins aujourd'hui, attendre trois mois, quatre mois pour avoir ces poussins. Parce que tout simplement, il faut les faire venir en groupe. Certains opérateurs pensent qu'il y a l'impôt qui est là, qui les empêche de bien évoluer. Bon, en fait, il y a les impôts, mais je pense que pour le secteur, euh, pour le secteur agricole, en réalité, et ceux, qui font, ceux qui vont même vers les impôts pour s'enregistrer et exercer le, métier, c'est-à-dire qu'il y a pas assez la charge fiscale sur eux. dire là où peut-être on peut déplorer la charge fiscale, c'est au niveau de l'acquisition des poussins qui sont dédouanés et taxés. Voyez-vous, ça, je pense que c'est une chose qui peut freiner. Voyez-vous, mais du point de vue, parce que les, les, fermes avicoles, lorsqu'elles sont enregistrées même, c'est sous le régime euh, réel simplifié. Et également, les charges fiscales, c'est quoi C'est juste la patente qu'il faut payer en fin d'année de 180. 7500. Donc, du coup, je pense que ça, annuellement, c'est pas tellement asphyxiant par rapport aux autres charges. Notamment parce que lorsque aujourd'hui, les gens ont la possibilité de pouvoir s'approvisionner ici sur place et avoir le poussin autour de 400-500, ça permettrait quand même de réduire une contrainte et de l'avoir quand on veut. Parce que de l'avoir, quand il faut commander un poussin pour faire la, préparer une fête de Ramadan et qu'il faut l'avoir après la fête de Ramadan, ça veut dire que c'est fauché. Donc, pour ça, je pense que ça fait partie des contraintes majeures qui bloquent la filière. Il y a la disponibilité d'aliments. Aujourd'hui, sur le marché actuellement, nous avons un problème d'approvisionnement en concentré. Le concentré constitue un des ingrédients qu'on met pour avoir l'aliment qui donne une performance à la poule du point de vue production de viande, du point de vue production des œufs. Et tant que cet ingrédient, cette substance n'est pas là, ça veut dire que vous avez beau nourrir, la poule reste là où elle est. Parce que c'est quoi Dans l'alimentation, il y a l'apport en énergie, il y a l'apport protéique, il y a l'apport un peu euh, pour casser d'encombrement. Donc, tant que nous n'avons pas un des éléments, ça veut dire qu'il va y avoir un déséquilibre dans la formule alimentaire. Donc pour cela, il fallait quand même que la disponibilité de cet aliment puisse être garantie. Et pour que ça soit garanti, ça permettrait quand même aussi de d'élever un certain nombre de contraintes. Donc voyez-vous, L'approvisionnement constitue un des problèmes vraiment crucial. De l'autre côté, il y a également c'est les aléas que nous avons ici, notamment le climat, puisqu'il fait très chaud ici. C'est très aisé de trouver dans un poulailler qu'il fait 45 degrés ou au-delà. 45 degrés dans un poulailler, vous trouvez des poules, notamment un poulet de chair, tombées en syncope. Vous venez, vous trouvez que des poules, que, que des poulets qui sont presque à terme, en, fin de croissance, ou qu'il fallait mettre sur le marché, vous venez autour de 13h, 14h, vous trouvez que les poulets là sont pas. Imaginez voir dans une exploitation, vous venez et chaque jour trouver 10 pendant 10 jours, c'est que ça fait en termes de pertes, c'est énorme. Donc vraiment, je pense que les eh, contraintes par rapport à pour s'investir dans ce secteur, c'est de cet ordre. Je pense que pendant longtemps, quand même, les gens parlent d'un certain nombre de problèmes liés à la mortalité due à la, euh, à la maîtrise technique ou à la santé. Je pense que ça, c'est un aspect qui, aujourd'hui, Dieu merci, arrive à être maîtrisé. Parce que les gens ont la technicité. Les gens ont été formés et calés dans ce domaine. Parce que, en tout cas, moi, je suis rentré dans ce volet depuis 2009. De 2009 à aujourd'hui, il est rare de trouver des situations où on va dire que des poules sont mortes parce qu'il y a eu la nuit Castel, des poules sont mortes parce qu'il y a eu le gomboro, des poules sont mortes parce qu'il y a eu tel problème de parasitose. Parce que tout simplement, les gens ont eu à travailler et à mettre en place des programmes de prophylaxie, à la fois en rapport avec les chercheurs, à la fois en rapport avec les professionnels. Ils ont eu à faire, à travailler ensemble pour pouvoir maîtriser cet état de fait. Et ça, ça fait qu'aujourd'hui, des programmes de prophylaxie sont établis et que lorsqu'on applique, on n'a aucun problème. Ça peut être la prophylaxie médicale qui consiste à faire les vaccinations. Dès que vous arrivez, on vous dit comment vous devrez traiter vos poussins. Et lorsque, avant de commencer, la sanitaire qui consiste à dire, OK, il faut nettoyer, il faut désinfecter, il ne faut pas accepter que les gens rentrent n'importe comment, il faut que les agents qui travaillent, comment ils doivent se conduire. Donc je pense que ça, ça a permis quand même aujourd'hui de contribuer au développement de la filière. Donc la contrainte aujourd'hui qui bloque vraiment, c'est l'approvisionnement des intrants parce que là, et ça aussi, c'est parce que aussi, de l'autre côté, les producteurs n'ont pas accès aux ressources de production. Mohamed Abdelkadri, comment choisir les bons poussins d'élevage Ok, merci de m'avoir donné l'opportunité de venir dans ce forum et éclaircir les gens. D'accord, donc la question est comment s'approvisionner pour avoir un poussin. Donc il y a deux étapes. Il y a ceux qui commandent au niveau du groupement. On a un groupement des agriculteurs privés ici au Niger. Donc là, c'est une commande groupée. Il faut peut-être attendre à euh, avoir euh, au minimum 20 000, à peu près, 20 000 pour qu'on puisse lancer la commande. Donc vous pouvez attendre au minimum 4 mois ou plus, voire plus même. Et il y a moi aussi, J'amène, j'approvisionne les gens du Nigeria. Donc moi, c'est durant la semaine, je peux livrer deux fois, le mercredi et samedi. Parce que moi, je n'attends pas jusqu'à ce que ça atteigne 20 000. Même si c'est 100%, j'ai la possibilité de faire livrer rendu Niamey sans problème. Voilà. Mais c'est pas tout le monde qui est au courant de cela. donc c'est ça qui freine vraiment. Il y a des gens, quand ils commandent, ils voient que ah, maintenant j'ai besoin de pouvoir de chair 45 jours avant la fête de Ramadan et que là, pour que le poussin puisse arriver, il faut après la fête. Donc là, c'est vraiment décourageant. <laughs> Donc, mais moi, vraiment, je suis en train d'aider plusieurs personnes à, mon niveau. Dès que vous demandez le poussins sans problème, on vous les amène dans la même semaine. Tout dépend de, de, la disponibilité. Sinon, c'est dans la même semaine, on peut livrer. On livre deux fois, quel qu'en soit le nombre aussi. Mais c'est à partir de 50 au minimum. comment choisir les bons poussins des mauvais Donc, euh, c'est la, la souche il faut d'abord s'informer sur la souche, donc là, et sur le couvoir aussi qui livre. Parce qu'il y a des couvoirs où vraiment c'est du n'importe quoi. Donc là, j'ai eu à faire mon, mes recherches. J'ai été au Nigeria c'est durant un certain moment j'ai eu à poser tellement de questions et à comprendre tellement de choses. Et de là, j'ai fait, j'ai tiré une expérience de savoir tel couvoir, ces poussins n'ont aucun problème, tel couvoir, ces poussins n'ont aucun problème. Et tel couvoir, dès que vous achetez les poussins, et quand il y a la mortalité, c'est des problèmes. Parce qu'avant, tout le monde avait peur. Dès qu'on dit que c'est des poussins du Nigeria, ils disent que, ah, meurent. Alors que c'est pas ça. Avant, c'était les Nigériens. C'est eux qui viennent et les gens commandent euh, auprès d'eux. Et donc, eux, c'est quoi C'est pour plus de profil. Et moi, qu'est-ce que j'ai choisi C'est la qualité. Parce que moi, je suis nigérien. Eux, ils même s'ils meurent, ils s'en fichent. Donc moi, je ne peux pas aller dans, ce, <laughs> dans, dans cet état-là. Mmh. Voilà. Mohamedou Abdelkadri, le croisement est-il nécessaire dans l'agriculture Le croisement... Il y a des gens qui font ça parce que même au Burkina, ils se sont spécialisés. Ils ont pris les poules locales et ont, croisé ça avec les F1, les, co coquelets, qu'on dit les ISA pour avoir des métisses. Donc là, ils se sont spécialisés dedans. Donc il n'y a, aucun inconvénient et il y a une rapidité de croissance aussi. Quand vous faites un croisement de, de coq isa avec nos poules locaux, vous avez des métisses, vous avez en viande, ils sont plus grands que nos poulets locaux et ils grandissent encore. Euh, la croissance est plus rapide que les poulets locaux. Il n'y a pas d'inconvénient en cela. C'est juste faire le suivi, la vaccination et tout. Savoir comment vraiment le système de biosécurité donc la vaccination, les intrants en alimentation et tout. Donc dès que vous vous assurez. Et aussi, il y a un problème aussi qu'on fait face. Quand vous construisez les poulailles, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir la bonne position. La bonne position, c'est-à-dire Donc, parce qu'il faut aérer. Il faut avoir les deux côtés du vent dans l'année, c'est est-ouest. Et il y a d'autres qui préconisent de faire nord-sud. nord sud à cause de la pluie. Donc là, nord-sud, moi, en point de vue, le nord-sud, là, moi, à cause de la pluie, là, j'ai pas. Vaut mieux avoir le est-est-ouest pour le changement de, de vent pour la ventilation, quel qu'en soit. Donc là, il n'y a pas de problème. Mohamed Abdelkaderi, de quoi est constitué l'aliment pour la volaille L'aliment pour la volaille est constitué de plusieurs choses. Parce qu'il y, a le premier âge, il y a le deuxième et il y a le troisième. Et après, il y a, l'aliment complet et le concentré. Donc c'est des trucs énergétiques où il y a le soja, il y a le prémix, il y a euh, parfois le poisson, parfois le... Le poisson, oui. <laughs> Et parfois aussi il y a du tourteau d'arachide, il y a le maïs, il y a le son de blé aussi. Il y a plusieurs additifs qu'on mélange à des proportions suivant les âges. Il y a le premier âge qui demande beaucoup de protéines. Le deuxième âge, c'est la croissance. Là, il n'y a pas tellement de protéines. Et le troisième âge qui assure la production des œufs et de ne pas faire un aliment trop riche pour qu'il ne soit pas trop gras. Parce que quand il devient trop gras et quand il prend du poids, il ne produit pas aussi bien. Et dès qu'il y a un peu de chaleur, vous, allez vous retrouver avec beaucoup de mortalité. Hmm. Voilà. Et il, a aussi, il faut aussi quantifier par sujet, il y a euh, une quantité que chaque sujet doit consommer. Donc c'est euh, de la quantité qu'on multiplie par le nombre de sujets pour avoir la consommation un jour, pour ne pas avoir de problème. Parce qu'il y a d'autres, eux, ils mettent seulement. Dès qu'ils viennent, ils trouvent que dans les mangeoires, il n'y a, a, plus rien, ils augmentent. Cependant que là, quand on a quantifié, Dès qu'il finit de manger ça, on ne leur donne plus rien, c'est seulement de l'eau, il faut encore demain. Pour qu'ils ne prennent pas beaucoup de poids et vous retrouvez avec des problèmes après, parce que quand ils vont s'engraisser, <laughs> avec le climat qu'on a ici, <laughs> ça ne peut pas aller. Mohamed Abdelkadri, quels sont les types d'habitats qui sont recommandés oh, les types d'habitats qui sont recommandés, moi je préfère quand vous construisez vos poulaillers, c'est de prendre les deux côtés du grillage, est-sud. Je préfère ça, mais d'autres disent qu'à cause de la pluie, quand il pleut, l'eau va rentrer. Mais, il, faut, il faut pour rallonger la euh, tôle. Avec, avec tôle, de la paille. Voilà, avec de la paille ou bien des secours. Quand il va commencer à pleuvoir, comme il y a des gardiens sur place qui s'en occupent, ils peuvent toutefois ouvrir les secours ou bien peut-être rallonger la tôle. Mm. Donc là, vous n'avez pas de problème. Quel qu'en soit, même s'il fait très chaud, quand ça vente, il y a moins de mortalité et il y a moins de problèmes aussi. Il faut veiller aussi sur, le système de, la, biosécurité. Il faut vraiment pas aller d'une ferme à une autre. Et ou bien il ne faut vraiment pas laisser tout un chacun qui vient pour pouvoir visiter la ferme. Il ne faut pas laisser l'accès à tout un parce qu'on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas qu'est-ce qui. Même en, quand je salue, quand je me rends dans une ferme où il y a une épidémie, je rentre là-bas, je sors, je viens dans une autre ferme où il n'y a pas d'épidémie. Même quand je salue ceux qui s'en occupent, là, c'est pas bon. Quand, dès qu'ils vont mettre l'aliment ou bien qu'ils vont les abréver aussi, ils peuvent toutefois les faire contaminer. Voilà, donc c'est pas bon. Est-ce que l'éclairage est nécessaire dans l'habitat euh, de la volaille Oui, l'éclairage est nécessaire à, un certain niveau, surtout dans l'état démarrage. Et parfois aussi, quand ils vont commencer à pondre à ceux, comment ils font, c'est juste euh, l'éclairage naturel. le lever du soleil et le coucher du soleil. La nuit, on ne place pas des ampoules Oui, il y a d'autres qui font comme ça, ils ne mettent pas des ampoules. Mais il y a d'autres aussi qui font l'éclairage jusqu'à 22h. Ça, c'est des poules qui, pondent pour qu'ils puissent commencer à pondre le matin un peu très tôt. Quand vous rallongez peut-être la lumière jusqu'à 23h, à partir de 9h, vos poulets vont commencer à pondre. Avant 13h, où il va commencer à faire chaud, la majorité va pondre. Donc c'est dû à cela parfois. Et il y a d'autres où ils sont de là où ils ils n'ont pas accès au courant. Mais maintenant avec euh, les panneaux solaires aussi, et il y a les moyens aussi. C'est pas <laughs> tout le monde qui a les moyens de s'acheter des panneaux solaires aussi. Tout ça Est-ce qu'on peut mettre la ventilation Oui, la ventilation aussi dans des bâtiments fermés. Mais même dans des bâtiments ouverts aussi, on peut mettre la ventilation pour dégager la chaleur dégagée par les, les sujets. Parce qu'eux-mêmes, ils, dégagent suffisamment de chaleur entre eux. Donc quand c'est trop concentré, là, avec la, température ambiante, là, ça devient encore un autre problème. vous hmm. Il faut toutefois aérer avec de la ventilation. Mais dans les bâtiments fermés, il y a tout le temps des ventilations, il n'y a pas de cooling et consorts qui font rentrer l'air et qui font sortir l'air aussi. Docteur Yahouza Abdou, comment s'est fait la prévention contre les maladies Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure et mes collègues aussi l'ont dit, la prévention, ça commence d'abord même depuis le premier âge, comme on le dit, sinon depuis même euh, la reproduction. Parce que depuis l'incubateur ou bien la reproduction, il faut asseoir en cas les conditions sanitaires pour pouvoir donc sortir des sujets euh, sains et les protéger. Donc, euh, les vaccinations qu'on peut faire euh, dès le premier jour de naissance, il y a aussi, c'est tout un programme qu'il faut appliquer, comme l'a dit. Il faut seulement approcher les, spécialistes pour décrire tout ce qu'il y a, tout un arsenal de vaccins qu'on peut appliquer si on les respecte, avec aussi les rappels qu'il faut. En principe, on aura des, des, en tout cas, et, sains et saufs, et avec de très bonnes performances. Docteur, est-ce qu'on peut vacciner les poussins Oui, nécessairement. On peut les vacciner. Il y a des vaccins qu'on peut mettre dans l'eau de boisson, il y a des vaccins en, nébulisation. C'est surtout ça, quoi, aux boissons, nébulisation. Mais aussi, à un certain âge, s'ils sont forts, au bout de peut-être euh, un mois, on peut même les vacciner avec les aiguilles, pourquoi pas. Donc, il y a, euh, les techniciens le, savent, les hmm. spécialistes le savent. Et, tous les vaccins, en tout cas, il y a des vaccins qui sont recommandés euh, en fonction des âges également et, la manière de les administrer également. Docteur Yahouza Abdou, quelles sont les dispositions à prendre en cas d'épidémie ou autre maladie Bon, la première des choses, euh, il faut éviter d'abord la propagation de cette maladie pour ne pas contaminer les autres. Si vous, vous êtes déjà malade... Les sujets malades, il faut les isoler. Il faut, il faut les isoler, il ne faut pas les traîner n'importe où pour en tout cas circonscrire euh, en cas, la maladie. Sinon, euh, si vous les prenez à gauche, à droite, vous essayez de les amener au marché pendant qu'ils sont malades, vous allez donc peut-être propager la maladie. D'autres élevages vont être victimes. Et c'est une perte, une catastrophe pour tout le monde. Donc, euh, on n'en est pas là, mais quand même, il faut toujours chercher à, réduire donc mouvement, les mettre en quarantaine faire euh, venir un spécialiste, constater et puis donner les conseils qu'il faut éventuellement donc appliquer des traitements si c'est des maladies qu'on peut traiter. Docteur Yahouza Abdou, la consommation de la volaille importée a-t-elle des conséquences sur la santé des consommateurs Oui, c'est possible. C'est possible parce que euh, si on ne sait pas la manière dont ces poulets ont été produits ailleurs, et si on ne sait pas aussi la manière dont ils ont été conservés, avec quels produits ils ont été conservés, on peut courir des risques. Parce que euh, notre problème, pourquoi aujourd'hui, par exemple, comme on l'a dit, certains sont réticents au poulet de chair c'est en réalité lié aux poulet importé Parce que beaucoup de poulets qui, sont, qui viennent de n'importe où, envoyés sur nos marchés à des villes prix 2000 francs le kilo, alors que euh, si les gens les mettent dans la marmite, ils, font la différence avec nos poulets locaux. Donc, du coup, et si euh, le producteur local donc, essaie de produire des poulets de chair, il y a cette, méfiance du poulet de chair qui est déjà installée. Parce que les poulets congelés qui arrivent, ils n'ont pas le goût qu'il faut. Ils n'ont pas le goût qu'il faut et souvent ils sont conservés avec des produits douteux, douteux qui peuvent être cancérigènes et en tout cas jouer sur la santé des, consommateurs. Donc euh, moi je suis peut-être privilégié la, production locale. c'est mieux que de chercher à importer des choses dont nous ne maîtrisons pas. Euh, docteur Yahouza Abdou, l'aviculture a-t-elle des impacts sur l'environnement euh, pas tellement, mais euh, l'impact sur l'environnement, c'est surtout quand il y a des maladies. S'il y a des maladies, bon là, du coup, donc ça, ça, peut nuire, ça peut créer des, problèmes. Il y a aussi certaines nuisances. Bon, si c'est mal géré, comme on l'a dit, ça peut. Et ceux qui sont aux alentours, c'est pourquoi on, on, conseille souvent de faire des fermes un peu à l'écart des agglomérations parce qu'il y a des, il y a des, odeurs qui se dégagent. Il faut gérer tout ça là. Et c'est pourquoi souvent il y a des audits donc, environnementaux en l'installation des fermes. Donc il euh, y a des impacts environnementaux. Mais de l'autre côté également, la volaille produit du fumier également, qui peut contribuer à la fertilisation des, champs, hmm. qui peut aussi contribuer à l'alimentation des ruminants. Et donc, euh, euh, les deux sont possibles, mais il faut quand même savoir bien les gérer. Mohamedou Abdelkadiri, comment nourrir la volaille Comment nourrir la volaille, c'est un programme du démarrage. Le poussin d'un jour consomme 13 grammes la première semaine. Et donc, au fil du temps, chaque semaine, on additionne, on fait plus 5 jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte, l'âge de, la ponte. Donc maintenant, on fait les 13 grammes fois le nombre de sujets. Vous avez votre consommation jour que vous pouvez diviser en trois. Peut-être mettre le, le 1 tiers le matin, le deuxième un tiers à 14h et après, vers, après 16h. Et là, c'est fini, il faut demain. Ainsi de suite, pour ne pas trop gâter. Parce que quand vous leur mettez ça beaucoup, ils, ils gaspillent. Quand vous leur mettez la quantité qu'ils doivent consommer dans la journée, le matin en même temps, ils vont tout gaspiller. Et donc là, ça, vous fait des pertes. Donc c'est pour ça qu'il faut diviser, soit en deux ou en trois. La première proportion le matin, de bonne heure, et à 13h, 14h et après 16h. Donc là, il n'y aura pas tellement de pertes d'aliments ou de gaspillage. Donc ainsi de suite jusqu'à ce que, jusqu'à là, la production. Parce que ça va de soi qu'il y a les poulets de chair et il y a les pondeuses. Donc n'est pas la même alimentation et ce n'est pas le même, rythme de, croissance. Donc parce que la, euh, la, poule pondeuse, il faut attendre 16 semaines ou 18 semaines ou 20 semaines pour qu'elle puisse commencer à pondre. Et elle atteint l'âge adulte à 6 mois. Donc avec l'additionnement qu'on fait du 13 grammes plus les 5 chaque semaine, 5 grammes chaque semaine, jusqu'à ce qu'on atteigne les 125 grammes à 115 à peu près. Parce que quand c'est l'élevage au sol, il faut toujours additionner parce qu'il y a le gaspillage. Mais quand c'est l'élevage euh, en batterie, c'est 105 grammes par poule. En batterie, ça veut dire C'est euh, hors sol, en, cage. Voilà, ah c'est là où on peut avoir plus de 100, 000 poules dans une seule cage. C'est ça qu'on appelle l'élevage en batterie. C'est l'élevage fermé. Voilà. Là-bas, il n'y a pas de gaspillage d'aliments donc la poule ne dépasse pas 105 grammes à l'âge adulte. Mm. Mais quand c'est au sol, là, il faut aller jusqu'à 115, voire 125 même, mm. à cause du gaspillage. Mohamed Kadiri est-ce qu'on peut produire des poussins ici au Niger Oui, on peut très bien les produire. C'est juste les moyens adéquats. On, peut, on a les compétences pour pouvoir les produire ici. Mm. C'est juste à avoir les parentaux parce que c'est les parentaux. C'est les parentaux qui font défaut. Même en France, en Europe, c'est le Royaume-Uni. C'est là-bas où se, ont été fait les recherches pour les parentaux. les parentaux, c'est les parents des, des sujets qu'on achète, que ce soit la pondeuse ou que ce soit le, le pot de chair. Donc c'est parce que là, quand, vous quand on commande des pondeuses avec leur coquelet, quand on les croise, on a des F2. F2, c'est hybride. On ne peut pas avoir les mêmes performances. Donc, il faut, pour avoir de bonnes performances, il faut avoir des pondeuses ici des parentaux. Donc, il faut toute une technologie euh, voilà, Voilà, tout ça. Tout faire mm. des croisements jusqu'à avoir des parentaux ou commander les parentaux pour pouvoir produire ce passe. Et c'est en cours, Inch'Allah. Donc, on peut produire ça au Niger Au Niger, Inch'Allah. C'est en cours même. Mohamed Abdelkadri, comment identifier les sujets malades Là, c'est par, euh, par des selles. Dans les selles, on peut savoir s'ils sont malades. Il y a parfois ils sont un peu froids. Dès que vous rentrez dans la cage, ils sont là, des poussins qui s'isolent. Donc, euh, il y a tellement de facteurs par lesquels on peut toutefois identifier une maladie. Parce que toute maladie a comment elle se présente. Il y a des symptômes auxquels, on, dès qu'on voit dans les selles, on peut savoir qu'il y a telle maladie. Et il y a d'autres qui ont des écoulements narines et il y a d'autres qui ont des boutons sur les, crêtes et les pieds et qu'on sort tout ça là. C'est tout, c'est comme ça on peut reconnaître les maladies sur les sujets. Monsieur Kimba ou Aboubakar, qui sont vos clients ben, en fait, les clients, c'est les consommateurs, euh, c'est les consommateurs euh, de Niamey et environ, parce que c'est euh, le marché de Niamey, c'est le marché auquel nous déversons, dans lequel nous déversons nos produits. Mm. Est-ce que les hôtels font des commandes Oui, des hôtels, parce que moi, je sais que si vous prenez pendant quelques années, autour de 2010, 2011, moi, je fournissais au niveau de l'hôtel Gawaï quelques casernes militaires et puis au niveau du campus universitaire. Mais depuis euh, quelques temps, parce que en fait souvent c'est des structures qui, euh, avec le changement de responsable, il y a tout ça également. Et, euh, il faut voir aussi que euh, souvent avec le coût de production que nous avons, dans les systèmes euh, étatiques, souvent, ce n'est pas évident. Les gens pensent déjà à la surfacturation, facturation hmm. alors que c'est le prix réel. Donc, c'est des trucs qui coûtent un peu que. En tout cas, qui, au fait, en les regardant sur des papiers, on pense qu'il y a eu des choses. Donc, du coup, les gens euh, n'aiment pas s'engager dedans. Ils préfèrent euh, ne pas le faire. Mais sinon, quand même, c'est. Moi, j'ai l'habitude de fournir à l'hôtel Gawey hmm. et puis des poulets de chair. Actuellement, il y a un restaurant auquel je fournis des œufs aussi. Donc, c'est ça qu'on fait, en fait. Euh. Et bon, il y a également quelques programmes qui peuvent, parce que moi je fais aussi des pentades, qui arrivent à commander des pentades avec moi. Donc euh, on essaie de travailler ainsi. <laughs> Monsieur Kimba, des mesures d'hygiène sont-elles nécessaires Ah bien sûr, bien sûr, ils ont parlé de ça. Parce que déjà l'élevage, parce que je pense qu'il y a le bien-être euh, animal. En parlant d'élevage avicole, il y a quand même un certain nombre de conditions qu'il faut respecter en termes de normes, notamment l'orientation du bâtiment qui doit être respectée. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des normes. Ces normes-là, c'est de diriger les bâtiments euh, est-ouest qui constituent les directions des intempéries, notamment en termes de vent, en termes de pluie. Tout est orienté, c'est est-ouest. Donc, du coup, il faudrait que les bâtiments soient implantés dans cette direction. Il y a également, en termes de densité d'occupation, il faut le respecter parce que sinon, c'est-à-dire euh, c'est des catastrophes. Et la biosécurité, parce que la biosécurité, c'est ça en réalité, les, normes d'hygiène. Parce que tout simplement, la volaille, quand on la voit, elle est sale, mais elle n'aime pas la saleté. Parce que tout qu'on fait, quand vous demandez à des sujets de rester là où mm. et même font leur besoin, <laughs> c'est pas évident. Donc, du coup, c'est à, l'éleveur de mettre en place un dispositif lui permettant de pouvoir assainir ce son cadre. Donc, si c'est un élevage euh, de poulet de chair, là, c'est le principe de la bande unique où dès que ça finit, on nettoie, on ramène. Par contre, quand c'est le poulet de la pondeuse, elle est là. Donc, selon une fréquence régulière, on fait nettoyer, changer de litière. Et puis, mm. la litière, c'est soit des coques d'arachide euh, ou, bien des cosses de, de riz ou des coupeaux de bois, selon ce qui est disponible sur place. Selon nos invités, l'aviculture constitue une source d'aliments et de revenus des producteurs. Elle contribue efficacement à assurer la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. Cependant, les problèmes liés à l'alimentation, à la santé de la volaille, au coût élevé de la production, à l'hygiène de l'habitat, aux conditions de la transformation, à la non-maîtrise des normes techniques et de la gestion des affaires par les agriculteurs constituent des contraintes dont souffre le secteur avicole au Niger. Nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Dr Yahouza Abdou, docteur vétérinaire et spécialiste en production et santé animale et en amélioration des systèmes agraires sahéliens et protection de l'environnement. Adamou Di Kimba Aboubakar, zootechnicien, entrepreneur avicole et Mahamadou Abdou Abdelkaderi, gestionnaire commercial et agriculteur. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.